Eh, ñoo yor bal bi noonu ah, di ko a ah, waaye à coup franc le numéro 4 c' est Djibril Gueye numéro 19 c' est Alassane Diop ah le numéro 5 c' est Pape Wade ah, ah numéro 16 c' Amoli Ndour le numéro 11 c' Bébé Kor Samb le numéro 8 c' est Assane Seck ah ca Attention, les 11 de départ pour les du côté de A ah, Du côté de Mengo, le numéro 16, c'est le portier, euh, c'est Youssou Diagne. À le numéro, 3, Bala Diop. Le numéro 17, Babacar Diop. À le numéro 14, c'est Mamadou Kamara. Le numéro 4, c'est Mamadou Ndiaye. Le numéro 11, c'est Habib Gueye. Le numéro 2, c'est El Azim Mamadou Nian. À le numéro 10, c'est Sadiq Gueye. À toujours, le numéro 3 de Ndiaye, c'est Mamouro Ndour. waaye sista Arama maa ngi lay bëggee ah, di la jaajëfal bu baax a baax ah ca toujours euh, Ndiayeen ah perte nañ bal bi euh, c'est le numéro 10 euh, mo perte bal bi noonu ah ca ñu ngi dem ballon récupéré par le milieu de Ndiayeen a ah, perte nañ bal bi ah ca toujours. ah c'est la numéro 10 euh, de Mengo moo passe bi noonu c'est Sadikh Gueye a toujours euh, récupéré par le milieu de terrain de l'équipe de Ndiayène ah, numéro 10 Ndiayène bi El Ghazi Menga ah ba El Ghazi Menga perte na balle bi euh, ci milieu de bi c'est le capitaine de Mengo moo ko finalement gars yi ko ada kultura penyair Para orang que pere par Sadikh mooy dem noonu jox na ko ci côté gauche bi delloo nañ ko ci milieu terrain bi toujours Ndiayane euh, moo yor bal bi noonu mais ballon bien joué par la défense de Mengo a ñoo récupéré bal bi noonu le numéro 3 de Mengo aca ñu ngi dem a ballon pour le numéro 14 c'est Mamadou Camara le Rastaman de Mengo aca perte nañ ko bal Jouer en profondeur ah pour le numéro 14 de Gaïen. Ah, c'est Mustapha. Moustapha Sané Mandar Balbinon ou le numéro 9 ah oui perte na la bataille attention Gaïen, ballon centré pour le numéro 14 attention Gaïen, deuxième minimum Bandayen 2, l'équipe de Mengo 0. Anya Balbinonu Aja toujours eh, Mengo. Ya Aja juga idam. jaar na ci côté bi क्या ये तबला भी नमासन sangat enak kok ada may jox sir bu continuer reporter marché bi Thank you. qui jouait joué deuxième match après c'est un premier match bi nul avec euh, équipe bi di Diamaguène euh, de 2-0 but marqué par le puissant attaquant et numéro 14 de Ndiaye. Euh, attaquant bu am doole bi deuxième but ay ca Mengo ñoo nekk noonu ñoo jéem a sauver l'honneur sur cette première mi-temps jéem a dugal balaa ñoom mi-temps ñoo ngi gérer Ndiayeen tey dañoo bëgg a yóbbu ndam li jokkul parce que waa jokkul démb dañoo am match nul ak ASC Dallas gannaaw bi équipe bi di Ngagne Samb gagné woon 5-0 euh, Olympique de Missirah après ASC Dallas dafa le euh, match nul 2-2 contre Jorga Montagne une troisième équipe de Jokul qui war a semaine bi moo euh, ñaari Baltidara. dara et je vous rappelle que beneen équipe bu Jokul bi di dimanche et la profondeur pour Moustapha le buteur Moustapha devant et le troisième but Sur ce rush de l'attaquant de Gaël, Mustapha, il marque un doublé phénoménal ici au stade de et permet à Gaël de mener sur le score de 3 buts à 0. dara 3-0 il continue cette attaque de Ndiaye Ndiaye euh, qui joue euh, sans barbe aujourd'hui euh, sur le banc. mène sur le score. De 3 buts à 0. Aïcha Medoundoy, euh, demain vous pouvez sponsoriser les matchs. Suba amaguñu sponsor entre ñoom euh, Idéal

J'ai toujours Mengo avec le numéro 10 il va jouer avec cette profondeur Bandiaen dañuy intercepté malgré la sortie du gardien ça, toujours Mengo bi moo ngi jooy jooy yu metti ndaxte entraîneur bi daf ne ko tey doxoo abalal say morom génn di xataraayu di jooy gars yi la ko yóbbu ko vestiaire mais nii la tey day dox suba du dox parce que njaayeen seen attaquant bi di Moustapha Sané dafa am doole mu fekk da lay fël jàkkaarloo góol bi jël temps am tante benn côté làq bal bi si jaaxi et le centre dafay nga repoussé par le gardien de njaayeen cameraman zoom les heures de mango qui pleurent ay ca waa Njaayeen ñoom ñoo ngi doxal ñoom génneeguñu kenn parce que ñoo dooragul ñetti bal ci dara Matar entraîneur bi kon kuy jouer play sama show play la ñoo gor góorgóorlu parce que ñu ñu jël ci banc bi am nañ ben occasion koy gérer changement wu entraîneur bi ñoo ngi gérer ñoo ngi góorgóorlu mais Ndiayène mayewul dara parce que Ndiayène dafa dominer match bi. Ahmed. ayca les nouvelles changements ah. de l' ñoo ngi joxe. mais ba léegi Ndiayène moo mëneegul 3-0 waa Mengo ñoo ngi góorgóorlu. de l' autre côté lu ñuy def dañuy centré non dañuy temporiser. ayca Mengo dañuy joué moom boo ko naree sonal da lay génn ca biti dugal ñeneen moom suñu xefee ñun supporters yi ak ñëpp lay boole toogloo ñu <laughs> ñu daal dee ñibbi balaa mat si et toujours Ndiaye va évoluer non <laughs> avec Samb qui va trouver une longue ouverture pour le buteur Sané Sané moi le numéro 11 mu def lan jouer une deux entraîneur Mengo bi de ngi tudd Vieux de <laughs> Vieux man je l'aime beaucoup et le centre de Ndiaye marquer, de réduire euh, la marque avant la pause. Ce que nous jouons, la 35e minute de jeu et que mène sur le score de 3 buts à 0, vu marqué par Mustapha Saleh. Un doublé de Mustapha mais au but du numéro 3, le numéro 10 qui va récupérer la balle. Il va dribbler tout le monde à la Messi. Il va glisser la profondeur avec Mustapha que va faire le seen entraîneur bi kenn du ko sonal léegi mu buddi yeneen ñaari jour sànni ci biti dugalaat yeneen Vieux du changé tactique moom ay jour am lay changé ay ca banc bi ñoo ngi am dafa gaaw dafa am doole te bu jàkkaarloo ak temps yi du jaxasoo tey et euh, Mengo qui va tenter de réduire le score non l'arbitre ne va rien dire c'est le dégagement de Tico pour chercher l'auteur de l'ouverture du score le numéro 3 de cette équipe de Jaël voit plus de plus. Euh, Il a ouvert le score. Et la profondeur de Mengo, le gardien est sorti. Que va-t-il faire Aïe, Mengo, de nous jéem a score bi. Mengo, Mengo le ñuy aïe Aïcha Mengo. Allez gars toujours 4 euh, buts à 0 ak Ndiayène euh, Ndiayène mooy décalé non. ak numéro 3 bi mon score Et le centre pour trouver l'attaquant de pointe qui va jouer avec Vieux. Mais il a manqué sa frappe avec toujours euh, Mengo qui va tenter de réduire le score sur, ce contre-attaque. On est avant une mi-temps, Agua Mengo, L'arbitre va s'apprêter à siffler la fin de ses 45 premières minutes. Marqué par le triplé de Mustapha Sané, le numéro 14, excentré de cette équipe de Diane. Fait très bonne impression, et il demande la profondeur, mais le numéro 10 va temporiser pour lancer le numéro 11 qui va faire la passe à Gala. Et c'est Moustapha Sané qui marque au quadruplé. Cinquième but de Diane avec le quadruplé de Moustapha Sané le numéro 14 de Il est puissant, il est fort, il a un très bon positionnement. Et Moustapha Sane marque le but de et c'est la pause entre Ndiayène qui mène sur le score de 5 buts à 0. Yaen mène sur le score de 5 buts à 0 devant l'équipe de Mengo. Mengo. avec qui essaye euh, de changer de visage euh, dans cette seconde période avec le centre du latéral gauche, repoussé de la tête par le gardien, par le défenseur qui le remet à son gardien qui dégage loin pour trouver la profondeur avec l'attaquant rapide de Yaen que va-t-il faire va temporiser, va glisser euh, certainement la balle en profondeur. Non, il va changer de côté pour trouver Il a une belle porte gauche, il va centrer. Le 6 <laughs> avec un quintuplet euh, de Moustapha Sané. 6-0 pour l'équipe de Niaël devant cette équipe de Mengo. Et l'entraîneur n'aura plus rien à faire parce qu'il a épuisé euh, ses changements. Et sans but, Mengo, c'est des c'est grâce à un quintuplet de Mustafa Sade Mustafa Sane, le puissant attaquant de Jaël rafle tout sur son passage et il est actuel meilleur buteur de la zone OC avec 5 buts marqués dans un même match. Il dépasse largement Pape Matarsen de la Salam qui avait marqué un quadruplé contre André Kelly. D'ailleurs, Bonegili, euh, Sané a marqué 5 magnifiques buts. Moustapha nag dafa am sang-froid am calme dafa am doole mën football il wet bien et le centre de Mengo de l'autre côté et la tête ah là là là là en fait une occasion bi am na juróomi bi lu kenn defagul si nawetaan yi instant bii kañ nu mu si lay xool pour jël meilleur buteur 2021 parce que mom amna na ful gaaw Amna Nanguna doole le numéro 14 il a marqué 5 buts un quintuplet, euh, le numéro 9 Rastaman et toujours Ndiayène ñoy doxal nonu des choses exceptionnelles aujourd'hui en effectuant trois changements depuis la 20e minute de jeu Ndiayen mène sur le score de 6 buts à 0. But marqué suite à un quintuplé de Mustapha Sané et au but du numéro 9. Des joueur qui n'habite pas le quartier de Ndiayen mais qui mouille le maillot. Mustapha tey moo dugal juróomi bi moom su demee waa Njaayeen nañ ko toggal méchoui rayal ka xar parce que cinq bi la dugal wute na ak attaquant wu Dallas <laughs> ak attaquant wu aussi dalal jàpp bi woon sànq ñooñu dañuy raté mais Moustapha day dugal. et Moustapha est désormais le meilleur buteur de la zone 2 zone O.C. bi yep euh, ñun rek la est à génn ak supporters yi mën tul joueur et le centre euh, de Mengo va venir avec un dégagement de Pas ballon mal négocié par Diaen mais euh, ils vont se battre pour le récupérer avec le numéro 10 qui va décaler de l'autre côté que Moustapha je l'aime beaucoup On va jouer joué avec le numéro 10 qui va centrer le rebond intercepté par la défense de Mengo qui se dégage l'équipe. Il va retourner derrière. dafay wàññi. non Ndiayeen ñoo doon def changement Ibrahima Samb. coach Mengo bi le meilleur coach a épuisé ses changements moom 25 minutes la def 3 ñu dugg deuxième bu def 2. instant bi Ndiayène moo dese yeneen quatre changements parce que benn rek lañ defagum su la neexee ñu dugal euh, yeneen attaquant

toujours euh, Mengo avec le numéro 7 même si changement est la feuille dafay gol profondeur ah là là là là Ndiaye nous euh, doxal non toujours euh, mais ballon récupéré par ah, les Mengo comment il faire les joueurs de Mengo ballon encore une fois dégagé malheureusement pour l'équipe

Kita que da lay jaay doole moom amul caaxaan. waaw Idi Yadali nee na Mengo ñàkk na match bi depuis début de match bi parce que Mengo minute door nañ ñetti bal ci dara. le centre euh, de qui va mourir euh, en sortie euh, de 5 m 50 voilà 6 mètres comme on a l'habitude de dire. Et le dégagement de Tico qui va trouver Xaadim Sow nee na numéro 8 mengo bi Sila Njaayeen na deug mom la yërëm su doon mom bu ñibbi ah Karim football wala defet ño ànd lol du dara e mengo ki récupère ay ay ay ay ay méngoo waaw méngoo ñoom Njaayeen su den passé sax ruus na ñëw dugal kan yi Njaayeen tey méngoo dafa mel ni dañoo xaw tawat ay nekk ñu ci match bi Thioro mit méngoo yi nekkuñu si match bi malheureusement Ndiayène da leen di paas ñu leen am yàlla jox leen ngeen réduire score bi ñu ne déedéet dañoo rus a dugal toujours euh, les supporters de Mengo dañoo mujj di supporter supporter dañoo mujj di supporter waa Ndiayène lii lañ naan résilience <laughs> résilience dëgg nekk nii nga dem ah, ba mbir mi xamatoo lu mu lay nuróol nga muñ ko gëmm jàpp ci yàlla xam ne tey yi sa équipe doxul très belle de fair play des supporters de Mengo qui malgré les 6-0 continuent euh, dans la gaieté et dans la bonne humeur. Après j'ai équipe bi et toujours euh, Mengo dañuy góorgóorlu pour réduire mais mongols, euh, mais ay ca Jiiru Jóob méngoo am nañ tir cadré mais dañ koy dóor nànk suñ leen waa Njaayeen passé nànk lañ koy dóor passe ko góol bi malheureusement am nañ ay occasion mais suñu demee ba si camp yi duñu xam euh, ni ñuy def contrairement la Njaayeen di waajal def euh, muy doon trois derniers changement Jamar lo mepa passer balbi, ay bu Mustafa jape, Mustafa suka jape ko da koy dugal mom du yërëm mustafa sane xamul yërëm le numero 14 de Diayène l'auteur du quintuple koy du len mu jot balbi yen wa Mengo parce que gone gi di mustafa sane ay caaxaan amu ko boolewul dara kay wax lu ñew da koy dugal te toujours Mengo pour soxna euh, Mengo am na trois points parce que Mengo premier match moo ko dóor. Mengo dafa dóor premier match gardien de Mengo dañu koy joxaat euh, ASC Ndiayène wala Mengo mooy am touche waaw Mengo moo protégé bal bi am touche Mengo moo nekk noonu ñoo ngi góorgóorlu depuis démb si guddi lañu ñu commencé supporter xam naa dañoo sentiroon victoire bi on a tey cette euh, belle victoire est par l'équipe de Ndiayène de Diokoul dans les tribunes xam naa buñ demaatee dinañ feet Ndiayène ko yoon nañu am ndam seen premier match dañoo match nul un but partout ca Mengo ñooy jéem a góorgóorlu Mengo lu ñuy def ndax dañuy reluire score bi Mengo toujours Mengo encore Mengo ay ca l'attaquant il va tourner comme un garabouillon et redonner ay ca Mengo toujours ñoo ngay góorgóorlu ay ca Mengo ñoo ngay jéem a méngale ñoo ngay jéem a méngale seeni paas waa Mengo Et euh, cette belle phase de construction a été gâtée par leur jeu. signalé euh, par l'arbitre de cette rencontre. Ça va. Les bougies, Diam euh, ñatti bal ci 3-1. L'équipe de Lebougui a battu dans euh, Dalal sur le score de 3 buts à 1. Et a remporté euh, d'affilée sa troisième victoire euh, avant de croiser Bek et terminer en beauté et se qualifier directement en demi-finale tacler par le défenseur de Mingo qui obtient le corner. não é para bu é para ah, ak Moustapha toujours Moustapha l'auteur eh, des 5 buts il répond toujours présent moom lu mu dugalaat lay xool Ibrahima Samb pour sponsoriser les matchs de la zone 7 mais Ibrahima zone 7 baa duñ fi ñëw fekk fi ay deux personnes ak ay trois personnes mais boo leen sponsoriser incha allah dinañ ñëw bu tegal leen match zone 7 xool seeni talent ndax dinañ def comme Ndiayeen <laughs> boo bëggee sponsoriser match bi da ngay jël numéro Kumba Lamb bi moo ngi si derrière page bi. nga yónnee ñu ñaari junni ñu dugal connexion tegal la match zone 7 ay jo su kay Issa <laughs> nee ne waa ji di tourné comme garabu yow moo koy rey waa ji kat dañ ko paas bal bi mu war a jubal si kanam di tourné di def rotation 180 degré loolu mooy garabu yow Et eh, ça n'avait pas sa place sur cette action de Mengo. Et Mengo toujours avec euh, le numéro 3 qui se bat pour récupérer cette faute. Aïdjagaï, Nyari, 6 millions de match entre Ndiaye. Et euh, ça va bientôt se terminer entre l'équipe de Ndiaen qui va remporter sa première victoire au Lama devant l'équipe de Mengo. 6 buts à 0 pour l'instant avec la glissade de Pape Diop qui va profiter à qui Personne. On a leen ko gars Mengo dañuy ñëw ba pas Ndiaen pass ko góolu Ndiaen Mengo tey lu Mengo yaa saf leen wax waa Mengo mais est ce que xoo nañ leen waa Mengo. est ce que jàpp est ce que jàpp. daa mel ni da feebar. dañ feebar malheureusement waa Mengo nee nañ dañoo feebar. mais yàlla ngeen taneeg jàmm. te dóor yi moom buñ ko dóor. doo gaaw a tane. ci zéro. mais am na ñun fi dóor huit. et aussi euh, amoon na ñun fi dóor six. station bi euh, defarwaat moo fi ne. ñëwaat euh, changer visage parce que Mengo am na benn victoire soo leen defaroo rek jéem a qualifié ñëw quart de finale ay ca Ndiayène toujours Il gars efficace On tient la balle, bi na cinq occasions. cinq buts cinq sur cinq il est l'homme du match le meilleur buteur de la zone 2, c'est Moustapha Son nom. il est costaud il est puissant il est rapide regardez le derrière Il récupère la balle ça va finir au fond des filets Comme amul ay Voilà, voilà dafa mel ni génn nañu ko Pape Moustapha remplacé nañu ko dugal na 5 biom dem toog noppalu instant bi il est l'actuel meilleur buteur de la zone 1C avec 5 réalisations 5 réalisations yëpp si benn match la ko def l'ASC Ndiayène avec le numéro 30 numéro 2 avec son contrôle orienté manqué récupéré waa Mengo bu ndaw la en profondeur intercepté par Diko Diko moo koy euh, intercepté noonu ce match. Je suis arbitre. Je suis avec Ben Sibiri. Parce que le match est gagné depuis la 20e minute avec euh, trois buts marqués avant la 27e minute de jeu. Avant la pause, il y a un double 5 buts. Et le 7e va venir. Non, c'est un dégagement de la SC Bingo qui euh, est en train de faire ce match. gaay ya, Mengo lañu dooragul juróom benn bal ci dara gone gi di Moustapha Sané moo dugal juróomi bi jël saman ak waa Ndiayène ñuy xaar arbitre bi sifflé la fin du match arbitre bi tasal match bi parce que match bi c'est plié depuis la vingtième minute la 90e et que Ndiayen va remporter euh, son premier match avec 4 points à la clé. Ndiayen dafay am ñeenti poñ parce que premier match dafa match nul ak Diamaguène Diamaguène moo nekk devant avec une victoire et deux matchs nuls 5 points. Emengo qui avait battu Ngalam reste dans la course pour les quarts de finale. Ce sera difficile pour lui de se qualifier directement pour les euh, demi. Aïcha arbitre Kassal Massibi. waa Mengo bi ñu dëkk et avec cette récupération l'arbitre ne dit rien Diayen dañuy essayer le euh, septième but avec le numéro 10 day dribble le temps et le gardien a récupéré et va faire le dernier dégagement. Car les minutes du temps réglementaire se sont épuisées depuis. bien l'arbitre suggère que Mengo va voir cette équipe. Ils vont difficilement rentrer. Mais garaawul nañu muñ defarwaat parce que football nii la tey da ngay gagné suba ñu gagné la.